Euh, présentement, je suis au niveau du bureau numéro 30, euh, au centre d'Angoulbi. Le centre d'Angoulbi compte combien de bureaux de vote, Mohamed Le centre d'Angoulbi compte euh, six bureaux de vote. Mohamed Maman, est-ce que ce centre, le bureau de vote a ouvert à l'heure Effectivement, ce centre a, ouvert à l'heure, mais présentement je vous parle, les opérations sont suspendues parce qu'il a été constaté euh, euh, donc euh, qu'un bulletin d'un parti politique, à l'occurrence le PNDS, manque mhm. euh, au niveau de la liste pour les élections de la ville. Mhm. Donc, pour le moment, le président de la CENI régionale a pris donc la décision d'arrêter, en tout cas, les opérations de vote au niveau de l'arrondissement 3 parce que le problème ne se pose pas seulement au niveau du centre d'Angoulmi, mais plutôt c'est au niveau de, de l'arrondissement 3 que ce problème se pose. Mais est-ce que la population est sortie massivement, Mohamed Effectivement, la population est sortie euh, vraiment massivement pour voter malgré le froid. Mais euh, au niveau de l'arrondissement 1, quand même, il n'y a pas de problème. Les gens sont en train de voter et au niveau de l'arrondissement 2 également. Et à quand donc la reprise euh, de ce vote dans votre scrutin, dans votre centre le président que nous avons euh, eu tout à l'heure nous a précisé que présentement l'information est remontée à Niamey et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour acheminer euh, ces listes euh, à Maradi par avion. Au cas échéant, le président de la CENI nationale prendra peut-être une décision pour reporter les élections au niveau de l'arrondissement 3 pour demain ou bien après-demain.